Euh, c'est Khassim Djemé. Khassim Djemé, capitaine de Badiana. ASC Badiana de Ziguinchor. Khassim ñoo ngi lay nuyu. Euh, di la wax ne gis nañ fii nii ci tournoi bi depuis le début performance bu Badiana. léegi match ñu génn ñu génne ci seen troisième journée tey ngeen gañewaat 4-0 yow loo ñu mën noonu loo ñu mën toujours euh, on a préparé on a prêt pour pour prendre la coupe. Euh, parce que toujours on est en entraînement, on est en forme depuis, les, Abayana presque. On a euh, beaucoup compétir euh, plus de 13 mars presque, avant de venir ici. toujours on est en forme. Je suis très content, notre match, notre troisième match là, parce que on a, notre premier match, on a battu 4-0. Euh, deuxième match, on a fait match nul. et troisième match, on a euh, a encore 3-0. Euh, euh, mais je félicite mes joueurs, mes appels aussi, et les l'autre équipe. Merci. Merci Kapi. Maintenant, merci Nous l'avons dit, que football wanena physique wanena na ne mooy compétir légui nak suite compétition bi nga xamné ne Sédhiou wara amé len nan ngeen ko bëgg aborder fofu non toujours ndam rek ndam rek parce que euh, on a préparé physiquement on a préparé physiquement et maintenant moi à Sédhiou c'est prendre la coupe euh, je souhaite Badiane à prendre la coupe parce qu'on est en forme on est en entraîné euh, beaucoup merci. merci Kaka.